le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum Messieurs, dames, bonsoir. Il est 18 heures euh, passées de 15 minutes. Euh, merci d'être à l'écoute euh, du studio Kalangou à la présentation Rile Toussoumana. Le forum du studio Kalangou reçoit des spécialistes ou des personnes bien indiquées pour apporter des réponses aux préoccupations quotidiennes des auditeurs sur les questions d'actualité ou de société qu'ils se posent régulièrement. Le forum d'aujourd'hui est consacré aux dividendes démographiques, une occasion pour nous d'informer le grand public sur la définition même du dividende démographique, les indicateurs au Niger et leur importance au plan économique pour un pays. Le lien entre le niveau de l'indice de développement humain et la réalisation d'un dividende démographique. Pour discuter de cette euh, thématique, euh, je suis ce soir dans ce studio avec euh, Dr Nouhou Abdelmoumouni, directeur pays de l'initiative Organiser l'avancement des solutions au Sahel Oasis. Bonsoir. Bonsoir. Et l'honorable Abdoubala Marafa, sultan du Gobir, que nous aurons en ligne au cours de cette émission. Merci à vous de nous avoir honorés de votre présence. Mesdames et messieurs, bonsoir. Euh, je l'ai annoncé ce soir dans ce forum, nous allons parler du dividende démographique. Euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, Monsieur Abdelmoumouni, je vais vous demander de nous faire une brève présentation et votre principale mission assignée à votre structure. Euh, bonsoir, je tiens d'abord à présenter mes remerciements pour cette occasion que vous me donnez de parler au niveau de votre antenne. Euh, je le répète, je me nomme euh, Nouh Abdelmoumouni, docteur et sciences de la société, mention démographie de l'Université de Genève. Je suis actuellement le directeur pays de l'initiative Oasis, organiser l'avancement des solutions au Sahel. L'initiative Oasis est une jeune structure qui œuvre dans le domaine de la transition démographique. Donc nous avons pour mission de pouvoir accélérer ou bien accompagner la transition de la fécondité ou bien d'une manière très générale à la transition démographique au Niger, mais aussi dans les autres pays sahéliens. Et pour ce faire, nous avons un, un ensemble d'activités que nous mettons en place qui vont de la formation au renforcement de la capacité des partenaires, mais aussi à la recherche opérationnelle sur le terrain. D'accord, M. Euh, monsieur Abdelmoumouni. Donc, euh, en gros, est-ce que vous pouvez nous dire euh, qu'est-ce qu'un démographe et quel est surtout son rôle auprès de la population Merci, Rachina, pour cette question. J'ai l'habitude de définir le métier de démographe chaque fois que j'ai eu l'occasion, quand je travaille avec des étudiants. La démographie est une science qui est aujourd'hui une discipline, on va dire, d'actualité ou bien une discipline très importante pour les pays du Sahel et le métier du démographe, aujourd'hui, dépasse largement le rôle qu'on lui connaît, c'est-à-dire celui de la personne qui compte ou bien dénombre la population. Donc, euh, le démographe n'est pas seulement celui qui compte, mais aussi celui qui cherche à comprendre. Un démographe, c'est lui qui s'intéresse à la composition de la population, que ce soit par âge, par sexe, par secteur d'activité, par niveau d'instruction, donc, par définition, je dis toujours, un démographe, c'est celui qui suit la ligne de vie d'une population. La même chose qu'un individu naît, grandit, échappe à la mortalité au bas âge, se marie, fonde un foyer, à des enfants, pour finalement tomber malade un jour, ou bien migrer ou immigrer, et puis partir définitivement un jour. Le rôle du démographe est toujours présent à chaque âge de la vie. Nous nous occupons de la mortalité, nous nous occupons de la fécondité, nous nous occupons du mariage. Et finalement, ce sont tous les principaux facteurs qui font évoluer la taille de la population qui nous intéresse, avec un appui un côté un peu sociologique qui cherche à comprendre le comment et le pourquoi. Donc c'est aussi la description, mais c'est aussi l'explication des faits sociaux. Merci. Euh, selon l'Institut national de la statistique, en 2016, la population du Niger est estimée à environ 19 900 000 habitants, avec un taux d'accroissement moyen annuel de 3,9%. La baisse rapide du taux de fécondité et de l'évolution ultérieure de la structure par âge de la population aboutirait à la réalisation d'un dividende démographique. Tout d'abord, euh, expliquez-nous le concept de dividende démographique et à quel moment parle-t-on de dividende démographique le concept est connu sous le nom de dividende démographique, mais aussi on peut parler de bonus démographique comme on peut parler de bénéfice démographique. Alors on parle de dividendes démographique chaque fois qu'au niveau d'une population, la structure par âge, je parle de la composition par groupe d'âge, des éléments qui composent cette, position, euh, cette population connaît un changement. C'est-à-dire, de manière historique, on a constaté que les pays commencent toujours avec une population euh, de jeunes très nombreuses, avec des populations euh, âgées, une part de population âgée qui est un peu restreinte, mais au fur et à mesure que les sociétés se développent, alors la fécondité commence à baisser. Alors on a un volume euh, plus important de population active et un nombre de personnes à charge réduit, ce qui permet quand même à la population active de pouvoir prendre en charge l'ensemble des catégories constitué ici des jeunes. On parle souvent des jeunes de moins de 15 ans et des mhm. personnes âgées de plus de, de, 65 ans ou bien de plus. Euh, ça dépend des définitions. Donc globalement, on parle de dividendes démographique chaque fois qu'il y a un changement de structure par âge en faveur d'un nombre plus élevé de populations potentiellement actives, mhm. capables de se réaliser et de prendre en charge les autres couches sociales qui ne sont pas capables de produire. Donc le dividende démographique n'est pas simplement ce changement de la structure par âge, mais aussi la capacité à la société de fournir du travail en bonne et due forme à cette population potentiellement active, qu'elle soit en bonne santé, qu'elle soit dans les cadres pour pouvoir se développer et réaliser le développement des autres. Mhm. Donc, euh, toujours en 2016, les moins de 18 ans représenteraient environ 60% de la population, les moins de 5 ans, 20 ans et ceux dont l'âge est compris entre 15 et 64 ans potentiellement actifs sont estimés à plus de 47%. Avec cette structure euh, par âge de la population nigérienne, comment se comporte la pyramide des âges la pyramide des âges, <coughs> je rappelle que la pyramide des âges, c'est juste la représentation visuelle de la structure par âge on a d'un côté euh, les effectifs des hommes, d'un autre les effectifs des femmes, qu'on fait défiler selon les différents groupes d'âge, en général de groupes d'âge quinquennaux. Donc euh, la pyramide d'âge du Niger évolue très lentement et elle garde toujours le même aspect avec une base qui est très large, ce qui témoigne quand même euh, d'un nombre très important de personnes à prendre en charge, surtout des jeunes qui sont inactifs qui sont peut-être euh, souvent qui n'ont pas l'âge de travailler ou bien qui sont en train d'étudier. En tout cas, la base est toujours large avec euh, un sommet très étroit et ce sommet très étroit est aussi un autre indicateur de la mauvaise santé de la population. Ça veut dire tout simplement qu'on ne vit pas longtemps au Niger. Si vous prenez la pyramide d'âge au-delà de 40 ans, vous remarquerez tout de suite que les effectifs sont assez réduits ce qui est le contraire de ce qu'on observe dans les pays développés mm. où les gens, à partir de 60 ans, commencent à planifier leur vie et on assiste à, un sommet qui est très élargi contre une base rétrécie. Quelle pourrait être la conséquence de cette structure de la pyramide pour nous La conséquence de cette pyramide des âges, c'est justement ce qu'on observe actuellement. Cette situation un peu chaotique où euh, la pauvreté est quasiment endémique et euh, les ménages ont des difficultés pour pouvoir assurer les besoins fondamentaux de base. Je parle de l'alimentation, de l'habillement, de, l'éducation, du logement. Et euh, je pense que si ça continue de, cette manière, obligatoirement, on n'est pas proche de trouver des, des solutions viables à ce qu'on observe. Il va falloir obligatoirement faire en sorte que les gens qui travaillent, qui dégagent des revenus, ou bien des gens qui travaillent dans les champs, qui, qui euh, dégagent un surplus de production, soient à même de prendre ceux-là même qui ne travaillent pas. Est-ce que cette pyramide a toujours été comme ça dans notre pays D'une manière globale, son aspect n'a pas beaucoup changé. On peut regarder, j'ai des images devant moi qui montrent exactement en 1960 la pyramide des âges du Niger et la pyramide des âges euh, du Niger en 2010, la différence n'est pas très remarquable. Cela veut dire qu'il n'y a pas d'amélioration dans des domaines, des secteurs clés ou comment expliquer cela Hmm, c'est difficile de lier ça aux questions de développement parce que la pyramide des âges, schématiquement, elle ne donne que la structure par âge de la population. Et tant que vous avez un taux de fécondité, je parlais de l'indice synthétique de fécondité, qui donne le nombre moyen d'enfants par femme qui est environ, je parlerai de 7 enfants par femme en âge de procréer. Hmm. Et cet indicateur n'a pas bougé au cours des 20 dernières années. Actuellement, on a les enquêteurs qui sont sur le terrain pour la quatrième enquête démographique et de santé. Les autres trois vagues d'enquête ont montré un, indice synthétique de fécondité toujours au-delà de 7 enfants par femme. 7,6. 7,6, ça, mhm. c'est la statistique de 2012, hein, n'est-ce pas mhm. Donc, vous voyez, effectivement, tant qu'il n'y a pas de changement, c'est comme un stock. Et le robinet que nous avons ici, c'est la fécondité. Si le flux ne change pas, c'est toujours la même quantité de personnes qui entrent en tenant compte des avancées que nous avons réalisées en termes de réduction de la mortalité des enfants, ça veut dire que les femmes en moyenne produisent le même nombre d'enfants, alors que de l'autre côté, les, progrès en termes de santé ont permis de réduire la mortalité. Donc obligatoirement, le stock, lui, il va augmenter. Mhm. Donc la base de la pyramide va s'élargir de plus en plus sans qu'on ait à enregistrer un certain progrès en termes de réduction de la, mortalité aux âges avancés. Donc euh, voilà globalement ce qui explique euh, la situation. D'accord. Toujours euh, selon l'INS, le taux de mariage précoce des filles est estimé à 76%. Et comme vous l'avez dit, un taux de fécondité de 7,6 enfants par femme. Notre pays, avec ces chiffres, dispose d'un plus fort taux au monde et d'une croissance démographique de l'ordre de 3,9% par an. Euh, peut-on réaliser un dividende démographique euh, dans notre pays avec euh, ces, taux-là C'est une question difficile parce que aussi bien que la vie de la société que les indicateurs démographiques sont dans une perspective dynamique. Donc, ces chiffres que vous venez de citer sont susceptibles de bouger dans l'avenir si des mesures adéquates sont prises. Donc, la situation de la population n'étant pas statique, on peut, je dis bien, on peut toujours espérer un revirement de la situation et peut-être prétendre à un dividende démographique. Actuellement, les autorités, je pense, ont pris euh, la mesure du problème et des actions sont en train d'être menées on peut penser qu'avec l'intensification des, efforts, que par exemple la situation en termes de mariage de, de précoce, qu'on appelle le mariage des enfants, va un peu diminuer et que bon, de plus en plus les femmes seront autonomes et décideront du nombre d'enfants qu'elles veulent bien avoir, ce qui va à terme peut-être contribuer à un changement euh, radical au niveau des indicateurs démographiques. Donc, à travers des investissements stratégiques, euh, notamment de l'éducation, l'accès à la planification familiale volontaire et l'amélioration de la santé maternelle et infantile, notre pays pourrait-elle euh, répondre aux besoins essentiels de leur population dans ces différents secteurs Effectivement, je l'ai eu à le dire quand je définissais les dividendes démographiques. En fait, c'est un ensemble d'éléments qui font passer l'effet positif du, changement de la structure par âge. La structure par âge, quand elle change, ça ne veut pas dire qu'automatiquement on a un dividende démographique. Il va falloir investir dans la santé. Une population active en bonne santé, la santé ne suffit pas, il faut que ce soit une population active, en bonne santé et bien instruite pour être compétitive. Et ça, c'est le cas des pays euh, asiatiques comme l'Inde qui ont su investir dans le capital humain qui fait aujourd'hui leur fierté et qui leur change de statut de par le monde. Et on peut aussi mentionner le domaine de l'économie, sans oublier aussi le domaine de la bonne gouvernance. Mhm. Rien ne sera possible si euh, les populations ne peuvent pas participer de manière active euh, aux décisions qui concernent leur vie. Donc euh, la santé, l'éducation, la bonne gouvernance, l'économie, ce sont les rouages essentiels qui font passer l'effet du changement de la structure par âge a un bénéfice démographique. D'accord. Donc, euh, selon vous, à votre connaissance, quelles sont les actions menées euh, dans les différents domaines que, que l'on vient de citer tout à l'heure euh, et avec quels moyens Par exemple, pour la <coughs> planification, l'éducation et la maîtrise de la croissance démographique. Hmm, je pense que là, c'est le moment de saluer les efforts que les autorités politiques sont en train de mener pour pouvoir effectivement euh, changer la tendance. Et euh, on, peut déjà citer en termes d'investissement ce qui est fait dans le domaine de la planification familiale, ce qui est fait dans le domaine de l'autonomisation de la femme, ce qui est fait dans la promotion de l'éducation de la jeune fille. Si vous prenez ces éléments, vous les mettez ensemble, vous avez en face de vous une société dans laquelle les femmes participent activement à la vie économique et je pense que nous avons plus de 50% de femmes au Niger. Si cette frange de la population ne peut pas apporter une contribution significative au développement, ce serait difficile de s'en sortir. C'est comme si vous prenez une famille et puis vous divisez euh, la taille de la famille en deux et vous voulez que la moitié de la famille travaille pour le bien-être de toute la famille. Nous sommes un pays unique, je pense qu'il y a toutes les mesures qui vont aller dans le sens de donner aux femmes les opportunités, c'est un droit d'abord, mais aussi c'est un bien, je pense, en termes de développement socio-économique, de leur donner une chance. On voit aujourd'hui de par le monde ce que les femmes sont capables de réaliser et je pense que le Niger a, de ce point de vue, un exemple à prendre et d'intensifier ces, ces mesures que je viens de citer sans oublier le premier facteur essentiel qui est aujourd'hui l'éducation. Mm-hmm. Si vous avez une population, sa taille, peu importe sa taille, aussi grande soit-elle, si elle n'est pas éduquée, on ne peut pas compter sur elle pour réaliser quelque chose. Beaucoup de gens citent l'exemple des, pays asiatiques, l'exemple de l'Inde qui est un pays assez peuplé et qui se débrouille bien. Mm-hmm. Mais quand vous, vous quand vous partez, vous creusez, vous allez remarquer que ce sont des, gens qui ont un capital humain assez important, c'est-à-dire des gens sur qui on investit pour qu'ils apprennent et qu'ils deviennent quelque chose. Donc, au-delà du nombre, la question de la qualité est essentielle. Donc, euh, avec euh, tous ces efforts, toutes ces actions que mène euh, l'État du Niger, est-ce que dans vos tournées, les femmes euh, rurales qui sont les plus nombreuses d'ailleurs, est-ce qu'elles arrivent euh, à être imprégnées de toutes ces actions qui sont faites euh, pour elles, pour qu'elles puissent contribuer hmm, Ça, c'est une question très importante. Ici, à Niamey et dans les autres villes du pays, il y a toujours des projets qui interviennent, des programmes qui sont mis en œuvre, financés à des coûts exorbitants, mais quand vous partez au niveau des, du milieu rural et de passage, je profite pour rappeler que 80% de la population nigérienne vit en milieu rural et que presque la même proportion est aussi analphabète. Donc quelqu'un qui est en milieu rural aussi, qui est analphabète, il se trouve d'une manière ou d'une autre un peu écarté de la marche vers le développement. Même si ici, je ne suis pas en train d'insinuer que ce que font nos grands-parents, nos parents dans le milieu rural ne contribuent pas parce qu'aujourd'hui, je pense que le pays, quelque part, tient sur ses deux pieds parce qu'ils sont capables de produire suffisamment de suffisamment de sogo Et l'histoire le montre, chaque fois qu'ils ont échoué avec la saison de pluie, la situation devient grave. Ça, c'est une parenthèse. Donc, globalement, ce qu'il faut considérer comme solution, ce sont des programmes inclusifs, comme vous l'avez dit, qui sont capables d'expliquer aux femmes rurales ce qui se passe réellement, ce qui est leur droit, et puis ce qu'elles peuvent gagner, par exemple, à travers euh, d'autres types d'activités génératrices de revenus, ou bien en envoyant les jeunes filles à l'école, ou bien en retardant un peu plus l'âge de mariage de leurs enfants. Et de ce point de vue, je profite pour dire que la réduction de l'âge au premier mariage n'est pas seulement un objectif démographique, mais c'est aussi un objectif de santé. Si on sait que bon, tout le problème qui vont avec la grossesse et l'enfantement au bas âge, ce sont des questions de santé assez, assez cruciaux. Donc, euh, je pense que aussi il y a, beaucoup y a beaucoup d'efforts à faire pour que les femmes rurales réellement soient impliquées dans ce qui est fait à leur nom. Et ça, c'est ça, c'est un grand challenge aujourd'hui du fait de l'analphabétisme qui est un peu ambiant, surtout en milieu rural. Ok, donc tout à l'heure on parlait de planification familiale. Est-ce que euh, le recul de la démographie serait-il réellement bénéfique pour notre pays à long terme Je pense que si euh, certaines conditions sont réunies, il n'y a aucun doute. On ne parle pas de, de manière globale de recul démographique mais de contrôle. Nous, le terme que nous employons, c'est de pouvoir contrôler la croissance de la population, c'est-à-dire d'être à même de nourrir le surplus des gens que nous recevons. Et c'est aussi la notion de parenté responsable. Si aujourd'hui vous avez tous les moyens pour nourrir vos enfants, je pense que pour vous, l'équilibre est assuré. Mais si vous regardez de manière globale sur l'étendue du territoire, c'est sûr que nous manquons des ressources nécessaires pour nourrir tous les Nigériens. Il y en a qui disent que c'est Dieu qui nourrit l'enfant. Effectivement, <laughs> c'est Dieu qui nourrit, mais aussi Dieu nous tient responsables de ce qu'il a placé dans nos mains. Et je pense qu'en termes euh, de fécondité, on va dire que bon, le fonctionnement de la fécondité fait partie d'un des, aspects qui est critique et cité comme, euh, euh, je ne sais pas comment je, veux qualifier les termes, ce sont des dépôts qui nous ont été confiés et ils nous seront interrogés sur le fonctionnement de ces dépôts qui nous ont été confiés. Donc euh, Dieu nourrit, il nous a donné quand même la faculté d'anticiper et de voir. Et pour revenir sur la question du nombre, c'est pas simplement le nombre qui importe. Aujourd'hui, s'il y a une seule personne au Niger, si elle couche et elle dort du matin au soir, c'est sûr qu'elle peut mourir de faim. Mhm. Donc, au-delà de la question de nombre, c'est de la question de capacité et d'investissement qu'il s'agit. Mais si effectivement nous pouvons prendre des mesures pour atténuer cette croissance effrénée, vous vous rappelez le chiffre de la croissance démographique, c'est quasiment de 4% chaque année. Mhm. Donc ça, je pense qu'on n'a pas besoin d'être un spécialiste des populations pour répondre que ce n'est pas soutenable à long terme et qu'il va falloir obligatoirement prendre des mesures pour que chaque chef de famille soit capable d'éduquer ses enfants, de les nourrir, de les habiller convenablement, et que lui aussi, en tant que parents responsables soient contents de les voir grandir dans les meilleures conditions idéales. Mhm. Je pense que c'est ce concept qu'il faut expliquer aux populations au lieu de parler uniquement de, de, la baisse de, de, la fécondité ou bien du ralentissement de la croissance démographique. Les gens sont plus ouverts à comprendre qu'ils ont une responsabilité envers leur progéniture. Mhm. Et si dans chaque famille, si chaque famille est capable d'assurer le bien-être de ses enfants, je pense que c'est déjà un grand pas. Et même dans ce cas, c'est toujours Dieu qui les fait. Pour les partisans de ceux qui commencent par ces Dieu qui nourrit. D'accord. Est-ce qu'on peut faire le lien entre euh, notre niveau d'indice de développement humain et la réalisation du dividende démographique Je pense qu'on peut apporter deux réponses à, à cette question. La première question, c'est oui, il y a un lien. Et le lien, il est mathématique. C'est-à-dire Parmi les dimensions de l'indice de développement humain, vous avez euh, des indicateurs comme euh, le revenu par tête. Et donc, obligatoirement, s'il s'agit de prendre les ressources d'un pays ou bien la production annuelle de richesse dans un pays et de diviser par euh, le nombre de la population, obligatoirement nous avons un dénominateur qui ne fait que grandir. Et donc de ce point de vue, on peut investir beaucoup de choses mais si le dénominateur, lui, continue à grandir, on va toujours avoir des indicateurs par tête qui sont réduits. Et donc, on parle d'absorption démographique des effets de la croissance. Mm-hmm. Mais au-delà de ces liens mécaniques ou mathématiques, on peut aussi trouver d'autres liens entre les niveaux de développement et les dividendes démographiques. D'accord. On dit aussi que le dividende démographique euh, est la croissance potentielle de l'économie d'un pays. Alors que la croissance économique de notre pays est en baisse depuis quelques années, elle est passée de 11,8% en 2012 à 3,6% en 2015. Selon vous, comment vont se passer les transitions il y, a, plusieurs euh, scénarios possibles en termes euh, de transition, parce que là, nous parlons de deux transitions, de transition économique, mais aussi de transition démographique. Mm-hmm. On peut penser que si les investissements nécessaires sont faits et que des mesures sont prises, le pays est très riche en matière première. De ce point de vue, il serait peut-être dans une certaine mesure assez facile pour faire bouger la croissance économique du Niger. Des, investissements dans des secteurs euh, clés Là aussi, c'est une autre question entre la production totale de richesses et leur répartition. Parce que, bon, leur répartition relève de la bonne gouvernance. Il va falloir faire euh, euh, les investissements nécessaires et puis surtout choisir quel investissement faire. Il y a le domaine de l'éducation aujourd'hui qui atteint, il y a le domaine de la santé qui atteint. Donc globalement, pour ce qui est de la transition économique, ça c'est une autre question, je pense, qui est euh, assez risquée de faire des projections là-dessus, mais ce qui est un peu assez monotone et sur lequel on peut faire des conjonctures, c'est la question de la démographie. Et donc, euh, si des mesures vigoureuses ne sont pas prises, obligatoirement à ce rythme, on va arriver à un moment où la situation des ménages va devenir encore plus critique. Déjà, on l'a vu. Et surtout quand on prend le cas du Niger, un pays qui est complètement soumis euh, aux caprices des aléas climatiques. Mhm. Il suffit d'une mauvaise saison des cultures pour que la catastrophe euh, soit déclarée. Donc je pense que de ce point de vue, il y a un appel à lancer à l'endroit des autorités, mais aussi à l'endroit des populations pour dire que oui, nous comprenons que c'est Dieu qui fait les choses, mais nous avons une chance de comprendre certaines choses et de prendre des dispositions qu'il faut tant qu'il y a encore temps. Pour parler des régions, l'insécurité qui s'est installée dans certaines régions du Niger, notamment les régions de Difa, de Tilaberi et certains départements de la région de Tawa, est-ce que cela impacterait sur euh, la réalisation d'un dividende démographique vu que l'économie est touchée dans ces secteurs oui, aujourd'hui, la question d'insécurité est une question très cruciale et votre question est assez pertinente dans la mesure où, dans une région en proie à l'insécurité, tout de suite les priorités changent. Les investissements pour l'État aussi changent. Parce que tant qu'on n'arrive pas à assurer la sécurité, comme nous le disons, notre première richesse au Niger, c'est notre stabilité et notre paix. Donc obligatoirement, ça va changer les décisions au niveau des décideurs, politiques qu'ils ils vont pouvoir, euh, ils vont plutôt, euh, ils se sentiront responsables d'investir d'abord dans la paix, dans la sécurité, ce qui est un investissement concurrentiel pour les autres acteurs de la santé. Autant on met beaucoup d'argent dans la sécurité, autant on en met moins pour l'éducation et la santé de nos enfants. Ça, c'est un aspect. Mais aussi, dans une région où l'insécurité s'installe, la question de l'école devient une question vraiment non prioritaire. Les mhm. gens ne se sentiront peu enclins à envoyer leurs enfants à l'école, sachant que tout peut se passer à tout point, à tout coin de rue, et ainsi de suite. Et la même chose pour la santé. Donc c'est un facteur quand même qui est assez déstabilisant que si on ne règle pas la question d'insécurité, ça ne sert pas de parler des autres facteurs qui vont suivre, et y compris les, dividendes démographiques, sans oublier que selon la nature du terrorisme, ça peut avoir aussi des implications sur les politiques que l'État est en train de mettre en place. Imaginez si les gens viennent dire, bon, au lieu de se comporter de cette manière, mais plutôt nous allons installer une telle loi qui vous donne l'autorisation d'agir de, de cette manière ça va complètement bouleverser les plans qui sont mis en place et, chambouler toute la dynamique. Donc, euh, comment peut-on espérer et renverser cette tendance dans les régions où règne l'insécurité Bon, je pense que pour le moment, euh, le Niger s'en sort très bien en matière d'insécurité. Je ne suis pas un spécialiste, mais d'après ce que je vois, c'est que nous avons pu faire euh, dans la région de Difa, ce que nous avons pu faire avec la frontière malienne, avec aussi la frontière de la Libye, je pense que pour le moment, le Niger euh, se comporte plutôt bien par rapport à tout ce qu'on a vu dans les pays environnants. Donc euh, cela nous donne une possibilité, pendant qu'il est temps, de plutôt nous atteler à d'autres questions internes, notre politique interne, et puis de voir comment on peut redynamiser les liens entre les gouverneurs et les gouvernés. À cette allure, avec euh, des indicateurs, euh, comme vous l'avez dit, et des secteurs euh, qui souffrent, est-ce que notre pays peut espérer rapidement un dividende démographique Je suis optimiste et je pense que oui d'après ce que nous sommes en train de faire et d'après ce que d'autres partenaires sont en train de faire. Tout à l'heure, je disais que je travaille à l'initiative Oasis qui organisait l'avancement des solutions au Sahel et donc, si des individus sont capables de s'élever et puis donner un contenu à, leurs actions, je pense que ce serait possible de trouver des solutions et de gérer la question de la démographie et assurer un dividende. Mais il va falloir une grande collaboration entre d'une part les acteurs politiques, les populations locales, euh, les leaders euh, au niveau euh, local aussi, et puis les institutions internationales qui viennent en appui mais tout cela sous le leadership, bien entendu, des premières autorités du pays. Donc tout dépend de la bonne gouvernance. En partie, tout dépend de la bonne gouvernance parce que la question de financement aussi, la question de mobilisation de ressources, je pense que ça, ça relève en partie des, des, responsables, des responsables politiques. Donc, avec une bonne gouvernance, je pense que ça serait la base et le bon départ. Et on a vu des cas isolés, des exemples qui montrent que avec la bonne gouvernance, on peut faire la différence. Et je pense que pour le Niger, il n'est pas trop tard de pouvoir renverser la tendance et c'est la raison aujourd'hui de notre présence, la raison de ce que nous faisons comme travail, c'est parce que nous pensons qu'il sera possible d'inverser la tendance et de proposer un autre chemin, non pas simplement pour le Niger, mais aussi pour l'ensemble des pays du Sahel qui, qui partagent quasiment les mêmes réalités sociales avec le Niger. Donc, euh, à présent, nous partons à Maradi où nous avons l'honorable Abdoubala Marafa, sultan du Gobir. Bonjour, honorable. Bonjour. La chefferie traditionnelle est très développée au Niger et ils sont des acteurs sociaux incontournables. Donc, mhm. euh, votre euh, institution, l'Association des chefs traditionnels du Niger, l'ACTN, a remporté le prix 2017 du Fonds des Nations Unies pour la population, (UNFPA) pieds dénommée United Nations Population Awards, un prix qui récompense euh, vos engagements aux côtés des populations nigériennes. Donc, euh, mhm. honorable, dans le contexte actuel euh, de notre pays, quel rôle jouent les chefs traditionnels Merci. Je crois que, je dois dire que la chefferie traditionnelle doit, avoir le pouvoir de se lever devrait en tout cas pour que le développement en tout cas socio-économique en tout cas de notre population soit inévitable. Et depuis qu'on avait signé un protocole euh, de partenariat en tout cas avec l'UNFIA depuis plusieurs années, alors au niveau de chaque région, tous les chefs des huit régions du Niger, en tout cas, nous sommes engagés en tout cas à accompagner l'UNFPA dans sa mission. La mission qui consiste en tout cas à nous aider parce qu'on a un peuple vraiment qui s'accroît, excusez-moi du terme, en tout cas presque en désordre. Donc c'est pourquoi on a le devoir en tout cas de faire des sensibilisations pour que le développement anarchique de notre population soit quand même un peu réduit pour qu'on approche en tout cas le dividende démographique. Le dividende c'est quoi La population elle est là, elle doit servir à quoi hein Au développement. Si elle est de trop, n'est-ce pas, on va trouver que ceux qui travaillent sont moins importants que ceux qui sont en train de consommer. Donc c'est ça que on s'est rendu vite compte que ah, il fallait quand même que qu'on fasse quelque chose en cas sur la planification familiale. Et c'est ça qui fait qu'au au niveau de chaque chefferie, dans son entité traditionnelle, va au niveau de chaque village pour faire cette sensibilisation. Pas pour dire qu'il faut arrêter la naissance, mais il faut espacer la naissance, il faut faire une planification. Donc c'est comme ça que l'UNFCA, elle nous aide en tout cas à aller jusqu'au fond, au fond, au fond en tout cas de nos entités traditionnelles. Quand on dit planification familiale, certains pensent que c'est arrêter complètement les naissances. Qu'est-ce que vous faites euh, pour que ces populations-là puissent comprendre le sens du planning familial Donc, c'est pourquoi nous partons vers la population parce que nous savons qu'il y a une incompréhension. Incompréhension due surtout en tout cas à notre religion, qui est mal comprise en tout cas par notre population. On n'a pas dit d'arrêter complètement la naissance. On a dit qu'il faut espacer. Mais même dans le hadith, quand même dans le Coran, on a dit qu'il faut quand même espacer pour que la femme, l'enfant qui va naître, en tout cas, et les autres qui sont déjà là, pour qu'ils vivent dans l'harmonie. C'est ça qui fait qu'on se transporte, on va de village en village, on fait des renards de sensibilisation, mais pas, pour faire comprendre à notre population que le planning n'est pas arrêté la naissance ils sont en train de comprendre que ce n'est pas ça, c'est avec de l'intoxication de certains marabouts qui n'ont rien compris. Honorable Sultan du Dugobir, donc quel type de relation entretenez-vous avec le pouvoir exécutif et quel appui euh, est-ce qu'il vous donne pour euh, que vous puissiez accomplir vos missions vous savez, le pouvoir administratif, c'est l'administration, c'est le gouvernement. Hein. Notre structure, la chefferie traditionnelle, la CTN en tout cas, nous sommes dotés en tout cas d'un statut. seulement la chefferie traditionnelle est reconnue par notre constitution. N'est-ce pas mhm. On a un statut, c'est un organe en tout cas du gouvernement, à travers en tout cas le ministère de l'Intérieur. Hein. Donc vraiment, c'est qu'on n'a aucun problème. Nous travaillons en harmonie en tout cas avec l'administration, que ce soit au niveau du ministère, que ce soit au niveau du, gouverneur, que ce soit au niveau des, maires, des préfets et des maires. Mais pas, ils savent que ce sont, on se complexe. D'accord. Voilà, aucun problème. Ok, donc euh, quelles sont les actions que vous menez dans les domaines de, de l'éducation, de la santé, de la mère et de l'enfant Quelles sont les actions que vous menez dans ce sens C'est toujours en cas des actions de sensibilisation. Ici, par exemple, au Gobi, principalement en cas dans le canton de Tibir, la commune de Tibir. J'ai mis une structure depuis les années 2000 qui s'appelle Brigade de bonne conduite. La Brigade de bonne conduite consiste à quoi Elle consiste en tout cas à prendre la mère et l'enfant jusqu'à sa majorité. À l'intérieur de cette brigade-là, on défend en tout cas le mariage précoce. On veut à ce que la femme, la, jeune fille, ne soit pas mariée précocement. Même si elle se marie, on veut à ce que quand elle va contracter en tout cas une grossesse, qu'elle fasse les consultations prénatales. N'est-ce pas mhm. On veut à ce que cette femme, qu'elle accouche en tout cas dans un centre de santé, suivi par, la santé. On veut à ce que cet enfant-là reçoit toutes les vaccinations nécessaires. À ce que cet enfant sort avec un extrait de naissance, on veut à ce que son enfant ait toutes les vaccinations. Hein? ce que quand il aura l'âge d'aller au préscolaire, qui, dans leur localité, il y a un jardin d'enfants, une école primaire, une école CUG, ainsi de suite, On fait beaucoup de choses en tout cas. Même c'est fiscal, ainsi de suite, tout est compris, ça fait partie de nos activités communes, en tout cas de sensibilisation au niveau de tous les villages, de tous les hameaux, de notre entité coutumière. D'accord, honorable. Donc, quels sont vos principaux partenaires et quels sont les concours significatifs qu'ils vous apportent dans votre mission Les principaux partenaires, par exemple, on avait commencé avec euh, l'UNICEF qui est là. On a aussi l'UNFPA, on a la Banque mondiale, et le gouvernement aussi qui est là, en premier ressort. Et par exemple, avec certains projets, en tout cas, qui sont là pour faire des projets, des programmes de sensibilisation. Les chefs sont, sont invités, même à l'extérieur du pays, pour assister à des conférences internationales. Est-ce que auprès de ces populations, il vous arrive d'être confronté à une quelconque difficulté que ce soit Je ne sais pas ailleurs, mais ici chez nous, le chef c'est le père, c'est le père de la nation. on ne peut pas avoir de problème. Nous sommes compris, nous sommes écoutés, donc vous êtes écouté, tout le monde est d'accord, il euh, n'y a pas de résistance quelque part, des désaccords, non Ça pourrait arriver, ça pourrait arriver parce que vous savez, il y, a des courants qui sont là, mais ce n'est pas ça qui va en cas nous, décourager. Mais quand même, même quand il y a un problème, en cas, on nous saisit et le problème est réglé. Par exemple, pour euh, les vaccinations contre la poliomyélite, par exemple, où il y a eu plus de 50, peut-être 60 passages. Donc les gens ne se retrouvent plus. Donc souvent, quand on va dans une concession, on peut trouver par exemple des chefs de famille ou même des mères de famille qui refusent de donner leurs enfants parce que c'est trop. Donc, devant ce refus, on vient vers le chef, il convoque en tout cas la famille, la femme, le, mari. Vraiment, on les, on dit pourquoi il faut continuer à le faire. Souvent, on arrive à être compris et on règle le problème. D'accord. Donc, euh, est-ce que notre pays peut-elle espérer bénéficier d'un dividende démographique dans un futur proche Pour arriver à ces dividendes, il faut qu'on maîtrise, il faut qu'on arrive à maîtriser le développement anarchique de notre population. Il y a un an, et demi, j'étais jusqu'à C'est lui, e qui m'a envoyé là-bas sur une conférence internationale. On va parler du planning familial. Quand, au niveau d'un foyer, au lieu d'avoir quelques 2, 3, 4, 5 personnes, enfants à, nourrir, et qu'on se retrouve avec une vingtaine, avec une trentaine. Donc vraiment, c'est un problème. Combien de foyers on, il y en a au Niger comme ça hein? on, a, on, a, combien de classes en période? On ne peut jamais résoudre. Ce n'est pas facile de les, résoudre pour que vraiment chaque école, en tout cas, ait des classes, en tout cas, construites en matériaux définitifs. La population croît. Aujourd'hui, si, cette année-ci, on a 100 000 enfants à amener à l'école, hein, demain, c'est 20 000, ça croît. Hein. Le centre de santé, en tout cas, il faut en faire beaucoup plus. Donc, si la population, en tout cas, croît, ça croît comme ça, là, d'une manière vraiment inquiétante. Mais on peut, ne peut jamais arriver à ce dividende-là. On aura toujours, en tout cas, des bambins qui sont là, une trentaine, qu'il faut que le mari peut-être attiré par sa femme va aller se décarcasser en cas pour le nourrir. Est-ce que cela veut dire que le planning familial, les sensibilisations ne, ne fonctionnent pas Ça fonctionne. Ça fonctionne parce que il faut un certain temps pour récolter hein, le fruit. C'est pas parce que tu as planté un arbre aujourd'hui, un manguier aujourd'hui que demain tu vas récolter. Non. Ça va se faire dans, dans deux, trois ans, ainsi de suite. Nous sommes en train de faire des sensibilisations, par exemple, sur le planning. Mais ce sont des femmes qui ont déjà 4, 5, 10 enfants. Le problème est déjà là. Maintenant, euh, le résultat, c'est sur nos, filles, n'est-ce pas, qui vont commencer en tout cas la planification de leur première naissance. Et le résultat, c'est pour, très prochainement, c'est pour bientôt. Pas, pas pour le moment. Pour le moment, nous, avons un problème en tout cas à régler. Et on sent, nous sommes en train de le régler. Donc c'est pour la, pas la génération future, mais c'est pour c'est pour quelques années, ça va durer. Grâce à, nos sensibilisations, la tendance est en baisse. Ok, une dernière question pour vous, euh, honorable. Qu'est-ce que vous attendez à présent des autorités compétentes euh, pour euh, réaliser vraiment ce dividende démographique Mais nous sommes les éléments, en tout cas, de ces autorités-là, n'est-ce pas mhm. Donc, l'autorité, en tout cas, le gouvernement, en tout cas, est déjà dedans, hein, à travers, en tout cas, tous ces services, en tout cas, mais ce sont en train de faire aussi des sensibilisations. Nous travaillons ensemble. Donc c'est ensemble que nous menons en tout cas la bataille, parce que ça c'est une, bataille. La guerre n'est pas encore finie, mais nous sommes en train de gagner certaines batailles qui sont là. D'accord, euh, honorable Sultan Dugobir, euh, ça sera tout pour aujourd'hui. Ok, d'accord. Merci Ok, merci. Merci, euh, Monsieur Abdul Donc, euh, nous sommes au terme de ce forum. Euh, on peut retenir que, en faisant des investissements, entre autres dans les domaines de la santé, de l'éducation, la création d'emplois et la bonne gouvernance sont indispensables afin de promouvoir, bénéficier d'un dividende démographique à l'avenir. Messieurs, dames, euh, c'est ici que prend fin ce forum euh, sur la thématique euh, du dividende démographique. Nous étions avec Dr Nuhu Abdelmoumouni, directeur pays de l'initiative Organiser l'avancement des solutions du Sahel Oasis et l'honorable Abdoubala Marafa, sultan du Gobir, euh, que nous avions en ligne. Merci à vous, chers auditeurs, d'être restés à l'écoute euh, du studio Kalangou. Prochain rendez-vous demain à 18h15 avec une autre thématique. Au revoir.